internautes de Guédiois Info TV. Aujourd'hui, nous sommes ici au centre Daniel Bretier de Dakar pour le compte de la quatrième souffrance du réseau des élèves et étudiants entrepreneurs. Au programme, il y aura différents thèmes qui seront développés au sein de cette manifestation. Il y a, euh, il y a le marketing de soi, comment créer son entreprise, jeunesse et engagement, euh, mais également le leadership féminin. Mesdames et messieurs, Franck Fano disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et aujourd'hui, je suis persuadé que ces jeunes élèves et étudiants entrepreneurs ont bien compris cette situation de Franck Fano afin de saisir sa quintessence. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour plus de détails. Euh, merci. Déjà, cette conférence académique réunit les jeunes du Sénégal, euh, élèves, étudiants, entrepreneurs, euh, jeunes engagés dans leur secteur, euh, dans le sens un peu de partager sur des idéaux, sur des expériences, parler pour, euh, en tout cas, partager ses, visions, pour donner ses expériences, dans le sens un peu de faire avancer, parce qu'on a compris ou on pense que tout pays qui doit être, en tout cas, développé, doit passer par sa jeunesse. Oui, aujourd'hui, que vous avez mis en place le réseau Merci déjà, par la grâce de Dieu, on l'a fait bientôt trois ans. Euh, là, on est à la quatrième édition de la conférence académique. Je pense que ça, c'est un avancement. Autre chose, le réseau essaie de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Donc, euh, qui part d'entrepreneuriat part de projet. Là, on a lancé peut-être euh, quelques projets et par la grâce de Dieu, ça avance, ça réussit. Donc, l'on se dit qu'on est un peu dans l'avancement et on s'en remercie Dieu. Carrément. الدنيا سعيدة مع إجابة مع كريمة في اللي اللي تسلم فيه Bon, déjà, le leadership féminin, on est en mois de mars, donc on est dame, tout le monde comprend. Euh, c'est pour ça qu'on a invité Nébabel Babel pour nous parler un peu du leadership féminin. Comment créer son entreprise Tout le monde a envie de devenir entrepreneur. Mais les notions qui font qu'une personne devient entrepreneur, parfois, ce n'est pas carrément comprise. Donc, l'on demande à un monsieur qui s'y connaît bien de venir, monsieur Théolam, de venir nous parler un peu de comment, le processus en tout cas à avoir ou à suivre pour, pour créer son entreprise. Euh, entre autres thématiques, hein, nous avons engagement des jeunes avec Théolam, pardon, avec Biscoué, marketing de soi, parce que quand même, il est bien d'avoir toutes les notions, mais si on ne peut pas les faire valoir, je pense que ça ne veut rien dire à mon égard, euh, en tout cas dans mon entendement. Donc c'est pour ça qu'on a choisi quatre modules, donc quatre thématiques, avec des personnes qui s'y connaissent, on les a invités à venir partager leur expérience et leurs connaissances avec les jeunes. Au-delà de ça, par rapport au point comment créer une euh, on sait que parfois il y a beaucoup de qui sont organisées pour sensibiliser les jeunes sur ce point. Mais au niveau de l'application, ça pose problème. Selon vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui, qu qui, qui, explique cela D'accord. Moi, je commencerai d'abord par ces formats de, de, de, de conférences. Quand il s'agit de réunir tout le monde alors qu'il y a un seul monsieur, une seule personne qui dit ses idées, qui partage son expérience et qui ne donne pas un peu le temps au public d'intervenir pour dire les blocages un peu, parfois ça peut ne pas réussir. Du coup, nous, on a un peu changé le format. On est dans show, opérance académique. Cela veut dire quoi On dit aux jeunes de venir partager leurs projet, les blocages, de venir dire ce qu'ils ont tenté et qui n'ont pas réussi ou qui pas pour demander maintenant à ces experts, à ces, à ces personnes en tout cas qui s'y connaissent, de les aider un peu en orientation, comme quoi que euh, fais ceci, fais cela pour décanter ta situation. Je pense qu'avec ce format, nous, on peut, on a réussi quelques, à décanter quelques situations, parce que je pense qu'il faudrait, dans les rencontres comme celle-ci, demander à tout le monde d'intervenir d'être dans le fond du débat, dire les manquements, encourager en tout cas les réussites. Parfois, il manque ça dans les rencontres. C'est ce qui fait qu'on peut sortir de la conférence sans rien réaliser ensuite. Donc, je pense que pour réussir déjà à booster les jeunes à aller dans ce sens d'entrepreneuriat, il faut déjà les, euh, entendre, les comprendre, savoir les difficultés pour ensuite les orienter dans le bon sens. Et là, c'est parti, je pense qu'ils pourront déclencher leur projet. mais par rapport au point aussi, et je pense que c'est un point qui est en actualité. Oui. Et qu'est-ce qui doit l'engagement euh, en tout cas, toute jeunesse a sa responsabilité. Soit elle l'assume, soit elle la trahit. Euh, tout jeune qui est dans un pays doit se demander ce qu'il peut faire normalement pour le pays et non pas le contraire. Euh, je l'ai dit tantôt, je pense qu'un développement, ça se fait avec la jeunesse parce qu'il y a l'énergie qui est là, il y a la fraîcheur d'esprit qui est là, il y a la santé, il y a le temps aussi parce que plus on avance dans la vie, plus on manque du temps. Donc étant jeune, on a le temps peut-être de faire des actions qui font que le pays avance. Tu ne peux pas développer tout le monde, mais développe en tout cas ta chambre, <laughs> si je peux me faire comprendre. Vous allez peut-être comprendre cette métaphore, pour ensuite développer la maison, peut-être après euh, la cité, ensuite le Sénégal. Tu ne dis pas, ou bien on ne dit pas que tu arriveras à développer tout le monde, à faire avancer tout le monde, mais quand même si tu fais avancer ta personne et ton entourage immédiat, je pense que le reste va se faire. Si chacun prenait sa responsabilité, toutes les responsabilités seraient prises, et là le pays pourrait avancer. Oui, mais on constate qu'aujourd'hui, c'est le désespoir partout c'est les jeunes, particulièrement les Et Il faut avoir déposé le baccalauréat, après avoir aussi déposé le diplôme, et ils se retrouvent donc sans exception, il est impossible de trouver le diplôme. Est-ce que cela ne va pas constituer un handicap par rapport à l'engagement euh, C'est possible. Mais il y a une notion déjà qu'il ne faudrait pas oublier dans nos, dans nos formations, c'est la personne. Hein. Parfois, on oublie un peu qu'avec les avec, la pédagogie peut-être cognitive, il y a une autre pédagogie non, cognitive. Il faudrait essayer de, la développer, cette pédagogie aussi. On nous apprend des modules, c'est bien, on nous apprend des sciences, c'est bien, mais parfois aussi, il faudrait essayer de développer la personne. Euh, il y a de ces notions qui, lorsqu'on ne les a pas, tu peux tout apprendre, je ne pense pas que ça va marcher. Déjà, la confiance en soi, <laughs> je pense pas qu'il y ait une séance qui fait calcul 1 sur 1 pour réussir la confiance en soi, je pense pas. Mais il y a de ces, notions non cognitives qu'il faudrait inculquer aux jeunes, leur faire comprendre la confiance en soi, maîtrise de soi, euh, le courage de, prendre des risques et de faire avancer, parce que tant que ça avance, tant que ça n'avance pas. Mais il faudrait développer ces notions chez les jeunes pour un peu essayer de les booster. Maintenant, en plus de cela, viendront les séances qui font que, par exemple, comment rédiger un projet, comment établir un, business plan, comment faire un business model. Donc nous devons nous apprésenter déjà sur la personne avant de parler d'autre chose. Maintenant, si cela manque dans une formation, tu peux donner toutes les séances à une personne, je ne pense pas qu'il ou qu'elle avancera cette personne. Donc, une manière de dire C'est ça, mais maintenant ça se comprend, tous les modules que vous voyez, développement personnel, technique de communication, technique de marketing de soi et tout cela. Parce qu'il faudrait développer la personne, l'essence de la personne, le faire, en tout cas faire comprendre à tout le monde que tu peux tout apprendre, mais toi quand même déjà il faudrait que tu aies des notions. Et aussi, pardonnez-moi de vous dire, il ne s'agira pas de dire que j'ai tous les diplômes, je dois devenir quelqu'un. Il faudrait déjà avoir toutes les valeurs, ensuite avoir tous les diplômes pour peut-être aspirer à devenir quelqu'un. Je pense que c'est ça. comme ñun ñi nga gis nekk ay étudiants ci ay école de formation mais ñu gis ne dëkk bi war nañ ci mën a am responsabilité war nañ mën a am luñ taxaw def ko pour dëkk bi au moins jàpp ci dox bi dëkk bi di dox pour ëllëg ñu mën a wax ne ñun kat ba mu jotee jël nañ suñuy responsabilité moo tax koo fi gis jeune la nekk ci école de formation mais nekk entrepreneur bañ a dépendre ci kenn pour jéem a am sax autonomie financière bu dul dara loolu moo tax ñu taxawal ñun ñi réseau étudiant entrepreneur ñi nekk fii ak ñu nekk feneen ci biir salle bi

di jéem aussi di mënal suñu bopp di jéem dara pour en tout cas participer ci ni réew mi di dox. Euh, waaw point yi ñu war a waxtaanee fii xanaa tey ñeent la wax nañ ko sànq benn bi engagement la parce que nit aussi doon ndaw du tere teel a jël ses responsabilité gis ne war naa mën a engagé wu ci sàngam wala ci nangam. pour sax jariñé ko réew mi pour réew mi mën ci avancer motax ñu bëgg jeune bu ci nekk ndaw bu nekk nga jël ses responsabilités engagé wu ci dal seetlu nañ ko yangul dara ci politique bi gis nañ ndaw yu bari ci dugg boo démé ci yeneen secteur entrepreneuriat légui gis nga xale yi dañuy def entrepreneuriat donc ndaw bu ne dal dañuy bëgg nga jël ses responsabilités engagé wu ci dara motax ñu ñoo di tam bu mel non gis nañ ne yi ndaw yi dañu am seen projet bëgg taxaw seen i entreprise les des fois du ñuy xam fu ñuy jaar ñu taxawal comment créer son entreprise woko ko mel ni teewlaa bu waxtaanu nit yi am nañ euh, am nañ aussi suñu juumul marketing de soi dafay baax it boo amee talent mu nekk ci sa biir nga xam noo koy génnee ba wane ko ba nit ñi mën koo gis mën sax xam ne am nga talent sàngam moo tax ñu indi ñu indi waxtaan boobu indi leadership féminin dañu nekk ci mois de mars gis ni jigéen tamit warul di féete ginnaaw moo tax ma tooñ euh, dañuy wax derrière chaque grand homme y a une grande waratul demee noonu léegi dañu war a sax sa yëf yi moo tax ñu jàpp ne ni góor mënee jiite noonu la jigéen mënee jiite moo tax ñu indi leadership féminin jox ko ku mel ne Ndeye Babel pour mu waxtaane ko donc ñeent yooyu lañ bëgg a waxtaane tey am problème daal am xëy te loolu aussi nag ko jàng wa euh, da fay xawa metti nak parce que bu liggéey amul danaka kenn mënul am liggéey ndax liggéey mo amul parce que marché yi war a employé dañu saturé moo tax ñu bëggoon te ñun noonu nañuy doxee ñun ñu nekk ci réseau bi ñi nga gis fii nii ñu bëggoon jeune bu ci nekk bien que yaa ngi nekk di jàng mais nga am sa projet sax boo demee ba pare sab jàng bu dee employé nga fenn sant yàlla boo amul chance peut-être ñu jël la nga liggéey fenn créé woon nga sa projet da nga koy développé rek nga ànd ci nit ñëw si mu daan nekk entreprise boo xam ne taxawal nga ko sax pour réew mi réew mi jariñu ci loolu moo tax ñun aussi dañuy promouvoir entrepreneuriat wax ndaw bu nekk na nga am sa projet bopp nga koy doxal nga jariñu ci réew mi jariñu ci amaana bu dee jël nga ay nit ñu ciy liggéey ñoom ñu jariñu ci loolu moo tax ñu xam ne wala ñun ñu xalaat ne daal entrepreneuriat dafa jot pour ñu dundal ko ci réew mi ñu invité ci ñëpp. waaw ñun nag xëy dañu jàpp ne bu ñu la ko joxul sax nga jéem ko créer. xëy na boo bëggee ñu jox la ko parce que xëy na booboo a yóbbu nga ut ut kenn joxu la ko sax jéemal créer sa xëyu boobu moo tax au lieu que ñuy toog di xaar bu ñu toog di xaar parce que loolu li muy yàq moo ëpp li muy defar nag kenn ko ci nekk xam ne parce que boo amee sa diplôme nag jàpp naa ne am nga lu néew néew ci xam-xam as tuut loo mën a taxawalee dara te nag bu ñu fàtte dañuy def benn benn ba keroog am junni junni moo tax loo xalaat ne war nga ko mën a taxawal mu jur njariñ même boo ci jariñul nit ñi sax yow jariñal sa bopp ba doo sonal kenn nga daal di jariñ sa bopp

C'était euh, la quatrième souffrance donc, des, des, réseaux des élèves étudiants entrepreneurs. Et voilà, donc c'était une manifestation pleine d'enseignements parce qu'il y avait différents points, donc plein de sens qui ont eu à être développés, à savoir donc le marketing de soi, le leadership féminin et comment donc créer son entreprise, mais également euh, ses et engagement. Donc ça a été une manifestation donc très intéressante. Nous avons eu donc à entendre le coordonnateur euh, euh Moussé donc du réseau des élèves étudiants, mais également au panéliste, en l'occurrence Moussé qui a donc développé relater donc le marketing en soi, le marketing de soi qu'il a défini et donc relever donc la quintessence, tout, tout en nous faisant croire que savoir que la prise de décision personnelle est très importante dans le marketing de soi. Et voilà, c'était une manifestation très très très intéressante et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Et je remercie de passage quoi, le grand technicien donc Issa Koundou.